maliyaro m'a sambu za sintinai parce que kuna irga bekka niger wora zaine maliyaro burakul gaba maliwo oh, mantikala ay ma de kano donc yaro mo ay babu ma de nan kan ma lodin funnoa ta maliyaro ne fun sirfi karni mais mai ziko da matkina no kada matkin ay kada ay mun bai har ay managar irko dai gai da ngara hankan irko ne nigte mu ga te denu kati kan aitun ai gonda hanga fo kan kama bambara bambara kan ka irko te ai kubai da bambara bambara oh. je gumbe e gumba mo ar wonno na namuno mm. donc ai gumba bai me agwani goyo da ai mm, gumbe na ga kara gwani gumbe na numa funu si de mm. professionnel go kar mm. petit à petit nimo nigi donc RDA windora zam RDA bandino iriga fono parti RDA no di la kurusu taw no di no du cheyong girche irko RDA bore kwara irko go jouer ici donc irgo yadi irgo yadi il yadi irgo yadi irgo yadi kal 98 98 ngono wankoy agence promotion tisumantini mm -hmm. anungonu concours concours amateur mm. donc concours dinga il participait mais il participait gumba no il participait so il na modernisé mm. gayé orchestre sanga daga gumbe ara ye orchestre voilà. amma gumbe star maliaro e gumbe star ba gono bon maintenant kan ina concours no sumanti no concours din dan mm. ene maintenant il me batterie hmm. il me guitare hmm. maintenant bambara din il côté bambara din dey kangu jouer le gumbe hmm. il côté ayé batterie don don donc il kumba bargate de batterie voilà donc et puis arango chergana il go chargana aimo il ko tay gon voix kango donu donc il moneto concours odim il faut qu'il participe en 98 il participait on a appelé euh, Almeida on a appelé Kano Gay on a appelé Paco et eh, à ce temps-là Omar Dambar n'est pas venu donc

ñamay emina alhamdulillahi parce que ay naaru ara ay hijara ay haya ay du moto ay du windi ay du makko yongo hinno cindese ngumo wori ko ay go fonda wori ko ma <laughs> dogonen l'artiste s'exprime mesdames et messieurs l'instant est tout simplement solennel maliaro sandiko koranta ni senago zane kal silfi kwara bore go ganga nerse cem fonun koni gangi tonon di jeune ga kan ay tonen jeune ga dai jeune